Aujourd'hui, nous aurons deux scrutins, présidentiel et législatif. C'est des scrutins très importants pour notre pays et pour nous, la démocratie en général, puisque ces deux scrutins, notamment le scrutin présidentiel, nous permettra d'accéder à une transition démocratique. Pour la première fois dans notre histoire, un président de la République démocratiquement élu remet, comme on dit, le fanion à un président démocratiquement élu. C'est du jamais vu chez nous. En tout cas, depuis que ce processus démocratique a pris son envol en Afrique, c'est maintenant et aujourd'hui que nous comptons donner l'exemple et le meilleur. Et pour les Nigériens, un changement d'homme est toujours ou a toujours son importance vitale. C'est pourquoi nous saluons ce grand jour et nous souhaitons que ces élections se déroulent dans la paix et la culture sociale. La démocratie, bien entendu, elle a une base légale les élections démocratiques. Mais les élections démocratiques à elles seules ne suffisent pas pour remplir les critères pouvant nous permettre de dire nous sommes dans un État purement démocratique. Il y a des critères et il y a des acteurs. Donc il faut permettre à chaque acteur de jouer pleinement son rôle. Pour la gouvernance, c'est positif. C'est un pas en avant pour la liberté d'expression. C'est également positif. Mais un droit, comme on le dit souvent, ne se donne pas. Un droit s'arrache. Donc les journalistes doivent aussi œuvrer dans le sens de préserver ce droit de promouvoir ses droits. C'est-à-dire le changement démocratique ne suffirait pas à lui seul de permettre aux citoyens cette liberté d'expression que nous souhaitons pour le monde entier. Le Niger a été toujours un bon exemple de la sous-région. Ça, il faut le reconnaître. Le seul regret, c'est que pendant ces dix dernières années, nous étions derniers ça, ce n'est pas positif. Et nous pensons que si on permettait à chaque acteur de jouer son rôle, nous allons pouvoir changer cette position aujourd'hui que nous regrettons. Euh, acteur de la société civile, j'attends des changements qualificatifs. J'attends un changement d'homme. Euh, et mon souhait, d'abord premier, c'est la paix pour mon pays. Je souhaiterais que, une fois les nouvelles autorités installées, qu'elles prennent toutes les dispositions pour qu'on n'entende plus des morts dans les rangs des FDS. Des morts parmi les civils. Je veux que mon pays retrouve la paix qu'il a connue les, années, les années passées. Je veux que les Nigériens s'accordent, c'est-à-dire qu'il y ait une union forte entre les Nigériens, qu'il y ait une concorde renforcée, que les Nigériens se parlent que les Nigériens s'entendent, que les Nigériens se comprennent, que les Nigériens se disent d'abord, avant tout, notre pays, la nation nigérienne. Nous devrions tout faire pour qu'elle soit la meilleure de la sous-région. Je ne vais plus entendre mon pays cité dernier. Je ne vais plus entendre cela. Je veux que les enfants partent à l'école. Je veux que les salaires soient bien payés. Je veux que les journalistes retrouvent leur fierté d'antan. Je veux que ce pays se construise véritablement, qu'on ait des routes, euh, qu'on ait des classes, qu'on ait des hôpitaux, etc. Une transition, c'est un pas. Je, vous ai dit tantôt que la démocratie est un processus. Donc, l'élection à elle seule ne peut pas nous permettre d'accéder à tous les critères démocratiques. Il y a des efforts à faire et de toutes parts, parce que la démocratie, avant tout, c'est un tout. Chaque acteur a un rôle à jouer. Il ne faut pas minimiser l'autre acteur d'en face. Il faut respecter l'opposition. Il faut respecter la société civile. Il faut respecter les journalistes. Chacun de nous a un rôle positif dans la construction d'une démocratie forte. Et n'oubliez pas, la démocratie, pourquoi ce n'est pas seulement que l'élection Il y a d'autres institutions de la République qui sont des produits la démocratie. Je peux citer l'Assemblée nationale, qui a son rôle à jouer. Je peux citer l'institution, le médiateur de la République. Je peux citer la Commission nationale des droits humains. Je peux citer le CESOP. Je peux citer la Cour constitutionnelle. Je peux citer le Conseil d'État. Je peux citer, si vous voulez, l'autre pouvoir, c'est-à-dire la justice. Donc, etc. Si on permettait à chacun dans son domaine de faire son travail conformément à la loi, notre démocratie grandirait.